chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur ce dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Une émission co-animée par moi, Rabia Meikano, et je suis avec Salamatou Kadri. La technique est assurée par Seni Isaka et Adama qui assure l'édition. Bonjour Sali, comment vas-tu Je vais bien, Rabia, et toi Ça va, Dieu merci. Alors, qu'avons-nous au programme ce matin Salam à tous. Dans cette édition, nous suivrons l'entretien de Bachir Jibo, un jeune producteur et réalisateur de films à Zender. Avec lui, nous verrons comment se porte le cinéma au Niger en général et en particulier à Damagaram. Un entretien réalisé depuis Zender par notre correspondant sur place, Mustafa Mamansani. En plus de notre playlist La Vie, comme chaque vendredi, nous aurons la revue de presse, en plus des autres rubriques qui font le charme de cette édition pour le des rejoint, Nous restons à Niamey pour parler de gestion des déchets. Restez câblés pour ne pas rater une miette du programme. Sans plus tarder, voici le flash avec euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mokhtar. Bonjour Salamatou Kadri. Bonjour Rabia Maïkano. Le flash d'information à présent. Le comité international de la Croix-Rouge CICR en un mois a soutenu plus de 130 000 personnes au Niger où près d'une personne sur cinq a besoin d'aide humanitaire du fait des conséquences des conflits armés et autres situations de violence qui impactent toujours la vie des millions de personnes à travers le pays. C'est selon une note opérationnelle de l'organisation publiée hier jeudi 17 août. Présent au Niger depuis 2007, le CICR estime que les besoins humanitaires vont augmenter dans les mois à venir. L'organisation réaffirme sa volonté de continuer de porter assistance et protection aux populations affectées. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed El hajja Ousmane, a rencontré hier à son cabinet les syndicats des travailleurs de son département ministériel à qui il a transmis le message du gouvernement. Le, message est se mettre au travail face aux difficultés que connaît aujourd'hui le pays avec les sanctions de la CDAO. Terre les individualités, les contradictions, les, autres, les, différentes, les différences d'opinion afin de regarder le Niger qui est le bien commun à tous, a déclaré le ministre Hadj Ousmane. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Kiani, a reçu dans l'après-midi du mercredi 16 août le ministre gabonais des Affaires étrangères Herman Imongolt. Le diplomate gabonais est porteur d'un message du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue des échanges entre les deux personnalités. Et c'est tout pour ce flash d'information de ce vendredi 18 août 2023. Merci bien Mokhtar. À bientôt. Comme annoncé à l'entame de cette édition, nous suivrons dans un instant l'entretien accordé à notre correspondant par Bachir Jubo, un jeune producteur et réalisateur de films Azender. Ici, on parle cinéma dans cette édition. Mais Rabi, avant un tour en musique euh, direction Zender avec le titre Aïcha de l'artiste Ali Achibili. from Halima ko kuma baka Euh, que vous êtes en train d'écouter son vrai nom, Ali Oumarou, connu sous le nom d'artiste Ali Atibli. Dans cette chanson, l'artiste déclare son amour pour sa bien-aimée Aïcha. Il fut resté un moment dans l'orchestre Jagraya avant de créer son propre groupe Zumunta. En 2003, il remporta le prix de la deuxième édition du Festival national de la jeunesse. Il intègre ensuite la formation Super Haske de Fessani Aboussa où ils ont remporté le prix d'Angourmou en 2007 en traitant des compétitions de la scolarisation de la jeune fille suite à des incompréhensions internes. Les membres de Super Haske se sont divisés. Alia Tchibili garde jalousement jusqu'ici la même dénomination du groupe avec ses partisans. Son aventure fut fructueuse il remporta des prix Award d'Orange Niger et plein d'autres trophées. Ali Akibri, chers auditeurs. Maintenant, revenons à notre entretien du jour que nous a accordé Bachir Jibo, un jeune producteur et réalisateur de films à Il avance bien que mal, malgré le peu de moyens. Il a à son actif quatre films qui traitent des problèmes sociaux. Mais d'abord, il nous parle des raisons pour lesquelles il a embrassé le cinéma. C'est un entretien réalisé par Mustafa Mamansani. Voilà, c'était en tout cas une passion que j'ai nourrissée depuis tout petit parce que j'ai l'habitude d'écrire des poèmes, des petites pièces théâtrales, des sketchs que nous présentons en tout cas lors des activités culturelles dans notre établissement. C'est ça qui a nourri mon ambition et avec l'avènement des FADA, j'ai demandé à faire un stage. En tout cas, c'est ce stage-là qui a fait que mon caractère s'est mûri et je m'étais senti moralement engagé. Avez-vous sorti de films Oui, j'ai à mon actif quatre films présentement. Et de quoi parlent euh, ces films En tout cas, il y a le premier film qui est court métrage. Et c'est un film qui traite de la violence à milieu jeune. Voilà, c'est un film que j'ai réalisé depuis 2014. Eh, en ce là j'ai été confronté à des violences en milieu jeune qui a gangréné le quotidien de cette jeunesse-là. C'était un organisme qui nous a dit maintenant d'aller réfléchir, voir qu'est-ce que nous allons faire pour aller sensibiliser nos pères. Voilà, j'ai proposé de faire un film qui sera comme support et d'animer des débats à travers les quartiers, là où vraiment la violence règne. Maintenant, j'ai réalisé le film. On a été à Caracara, on a fait les périphéries de la ville des Inders pour faire la projection des films. Et après, maintenant, on ouvre un débat avec les jeunes par rapport à ce qu'ils ont vu dans les films. C'est une façon de les sensibiliser à ne pas se laisser aller à la violence. Et voilà, le deuxième film aussi, je l'ai réalisé en 2015. C'est un film aussi qui parle un peu de cette violence à milieu jeune. Mais cette fois-ci, ça concerne un peu le domaine culturel. Mhm. Parce que il y a les chanteurs qui ont l'habitude de faire des animations nocturnes. Maintenant, les violences que mènent les jeunes là et dans les soirées empêchent les clients de venir par, par peur, en tout cas, d'être violentés. Mhm. Ce qui fait que leur soirée nocturne ne les apporte rien pour sensibiliser aussi ces jeunes-là à laisser les musiciens profiter de leur œuvre. Et il y a une autre série aussi que j'ai commencé. On a fait la première épisode. Et la série s'appelle Patience. Et dans cette série aussi, je parle des gens qui mettent du temps avant de se marier. Tu te maries à 45 ans ou 50 ans. Maintenant, tu es à retraite, tu as un enfant de 15 ans ou 17 ans. Donc, tu n'arrives pas à assumer sa scolarité. On a commencé la série par manque de moi ». Maintenant, oh, j'ai réalisé le, premier épisode, on a laissé. Après, j'ai réalisé un autre film qui s'appelle eh, L'amour est un oiseau. Voilà, L'amour est un oiseau, ça raconte l'histoire d'amour entre euh, une jeune fille, Saratou, de classe sociale très défavorisée, et qui est orpheline des de pères et des mères, qui a rencontré par effet de hasard Boukar, qui est l'unique héritier d'une famille bourgeoise, et ils ont entretenu une relation amoureuse. Voilà, les films racontent leur histoire d'amour, et juste pour dire non à l'inégalité sociale, aussi pour dire que la différence des classes sociales ne doit pas, en tout cas, être un obstacle pour les vivre ensemble. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en exergue dans vos films Généralement, les films que je réalise traitent des thématiques, des problèmes que vit notre société, comme la violence, et comme l'inégalité sociale, la malgouvernance et la déscolarisation des filles, l'importance de la scolarisation au sein d'une société. En tout cas, c'est des thématiques comme ça que j'ai traite dans le film. Est-ce que les gens s'intéressent aux films nigériens, surtout avec l'avènement des films de Wood du Nigeria moi, je peux dire que le film de Kanyewu de Nigeria nous a facilité, en tout cas, la tâche dans la sensibilisation de notre public par rapport au métier du cinéma. Parce qu'avant, ils ont un préjugé sur le cinéma qui fait que euh, ça nous freine, en tout cas dans la production audiovisuelle. Maintenant, ils ont vu qu'il y a beaucoup des acteurs au Nigeria qui commencent à partir de rien et qui deviennent célèbres et ils ont l'habitude de les accueillir ici. Et ce qui a fait que maintenant, ils ont compris que le cinéma, c'est aussi un métier. Et maintenant, beaucoup de gens viennent nous dire ils veulent jouer eux aussi dans les cinémas. Donc, euh, Kanyoud nous a un peu facilité la tâche. Merci bien Bachir. Avant de continuer notre entretien, marquons une pause avec la revue de la presse présentée par Nafisa Sirfo. Nafi, bonjour. Nafisa, bonjour. Bonjour Salamat, bonjour Rabi. Bonjour. une menace sur la liberté de presse au Niger. Le bureau de la maison de la presse tire sur la sonnette d'alarme, nous informe Niger Inter. Dans un communiqué en date du 13 août de la maison de la presse et rapporté par Niger Inter, il s'agit de dénoncer une situation caractérisée par une insécurité grandissante dans laquelle exercent aujourd'hui à la fois les journalistes locaux et des correspondants étrangers. Pression, menaces, intimidation, tels sont entre autres grands défis auxquels sont confrontés les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession, a poursuivi le communiqué de la maison de la presse. Cette situation d'insécurité est, selon la maison de la presse, alimentée par certains activistes nigériens faisant appel aux autorités du CNSP à bafouer les principes, les principes universitaires celle de la liberté de la presse et d'expression dans le pays, cela en contradiction avec les engagements internationaux auxquels a souscrit l'État du Niger. Le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse interpelle donc le CNSP quant à sa responsabilité de protéger en tout temps et en tout lieu les professionnels des médias par ailleurs, le bureau du conseil d'administration de la maison de la presse a mis en garde toute personne qui incite et menace les journalistes dans l'exercice de leur profession tout en se réservant le droit de saisir les tribunaux en cas de menace avérée sur un journaliste dans l'exercice de son métier. Selon tout autre plan, en un mois, le CICR soutient plus de 130 000 personnes au Niger, titre l'agence nigérienne de presse. En effet, depuis début juillet et pour répondre aux besoins, les équipes du CICR et de la Croix-Rouge du Niger ont continué d'apporter assistance aux communautés affectées par les conflits dans les régions de Difa, Tilaberi et le Nord Tawa. Selon le CICR, plus de 2700 personnes déplacées, majoritairement des femmes et des enfants, ont reçu des articles ménagers de base, incluant des bagnes, des pagnes, autant pour moi des seaux, des bâches, des moustiquaires, du savon et des articles de cuisine. En plus, de plus de 2500 personnes, soit 350 ménages d'agriculteurs, ont bénéficié de la distribution de semences pluviales leur permettant de planter et récolter leur nourriture. Le CICR d'ajouter qu'au vu de la situation politique du Niger, où plusieurs pays étrangers ont annoncé la suspension de l'aide au développement au Niger, le risque d'une aggravation des besoins humanitaires est à craindre. Flambée des prix des flamber des prix des produits de consommation, de la surenchère ou mauvaise foi des commerçants grossistes, s'interroge Niger Inter. Justement, depuis quelques semaines, les Nigériens font face à une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. En effet, de l'avis des clients et même des détaillants, cette brusque flambée des prix des produits de première nécessité est fabriquée de toutes pièces par les grossistes qui ne font que spéculer sur des anciens stocks de denrées, d'ailleurs acquis bien avant les mesures prises par les chefs d'État de la CDAO, notamment la fermeture des frontières avec le Niger, souligne Niger Inter. Dans cette manœuvre des grossistes qui veulent à tout prix gagner sous le dos des consommateurs, cela pénalise également les détaillants qui subissent eux aussi le diktat des grossistes. Il ne reste qu'à interpeller les autorités compétentes à veiller au grain et au respect de la vérité des prix des produits de consommation en ramenant à l'ordre ces commerçants qui voudraient se faire des prix sordides sur le dos des consommateurs, a conclu Niger Inter. C'est la fin de cette revue de presse. Merci bien, Afissa. À bientôt. L'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la deuxième partie de l'entretien avec le cinéaste de Zender Bachir jubo Au cours de cette partie, il nous parle de ses ambitions, des défis et perspectives. Il est toujours au micro de Moustapha Mamansani. Quelle est votre ambition en tant que jeune cinéaste Mon ambition, c'est d'abord de faire des grands films qui vont traverser le continent et au-delà aussi de, notre continent. Et je voudrais aussi avoir eh, une grosse maison de production pour produire beaucoup de films. Et puis j'aimerais vraiment faire la promotion du cinéma à Zender à travers l'encadrement des jeunes qui vont découvrir le métier du cinéma et faire de ça, en tout cas, une carrière aussi, je voudrais qu'on crée ici à Zender un marché local du cinéma. C'est quoi un marché local Parce que les financements ne tombent pas. On va essayer en tout cas de sensibiliser notre public pour venir payer quand on a une projection. C'est-à-dire payer et entrer et regarder les films. Et c'est ça maintenant, les recettes là qu'on va avoir, c'est ça qui va nous permettre de financer nos films. Justement, quelles sont alors les difficultés que rencontrent les cinéastes ici à Zender Les cinéastes de Zender, c'est comme tous les cinéastes du Niger. Il y a un problème d'encadrement, il y a un problème d'accompagnement et il y a un problème de, promotion. Il y a aussi manque de financement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fonds destiné pour euh, financer les cinémas. Mais la particularité ici à Zender, c'est que le fait qu'on est loin des, organes décisifs, c'est-à-dire les ministères, les ambassades et les gros sponsors, ça nous cause des problèmes. Parce que nous, nous mettons notre argent pour faire des films. Maintenant, à la fin, on se retrouve face à des sponsors qui vous disent que ah, c'est Niamey qui décide, nous, on ne peut rien faire pour vous. Donc, on sera obligé de faire avec. Et puis, généralement, les gens avec qui on travaille, ce ne sont pas des professionnels. Et ça aussi, ça pèse. Comment voyez-vous l'avenir du cinéma au Niger en général et à Zender en particulier Le cinéma nigérien, je veux dire, a un bel avenir. Parce que tout dernièrement, nous avions vu des films nigériens qui ont l'habitude de traverser l'Afrique pour remporter des prix et aller au-delà de l'Afrique, des grands festivals, pour en tout cas remporter les prix, malgré que ce ne sont pas des films financés par, et eh, comment on appelle ça, par un fonds nigérien, c'est des réalisateurs qui se débrouillent. En tout cas, donc si aussi l'État se mêle à la danse, moi je pense que tout sera, tout ira euh, mieux que ce que l'on pense. Sinon, en tout cas, le cinéma nigérien vraiment un bel avenir. Il suffit que l'État aussi change de politique pour mettre un fonds à la disposition du cinéma et renforcer les capacités des, des cinéastes faire la promotion aussi du cinéma et accompagner les cinéastes. Avez-vous un champion, c'est-à-dire quelqu'un à qui vous voulez ressembler Un champion, en tout cas, je peux dire que la personne qui m'inspire beaucoup, c'est Idris Ouedraou le défunt Idris Ouedraou c'est quelqu'un qui est très emblématique et qui traite des thématiques très très importantes dans son film. Et c'est vraiment quelqu'un qui intègre et qui fait très bien son travail. Avez-vous un film en réalisation actuellement Oui, actuellement j'ai un projet, je suis sur un projet de réalisation d'un film qui s'appelle Tempête dans un canari. Voilà, Tempête dans un canari, c'est une pièce théâtrale que j'ai écrite lors d'une résidence de création qui a fait l'objet de publications dans les éditions Afrique Lecture. Voilà, dans un recueil de pièces théâtrales qui s'appelle Kirari. Voilà, la pièce parle de la révolte d'un jeune citoyen qui a fait chuter un très puissant chef de guerre et son roi sanguinaire. Voilà, c'est en tout cas cette pièce théâtrale que j'aimerais modifier pour porter à l'écran. Avez-vous un dernier mot ou message à lancer à l'endroit des jeunes ou même des autorités Bon, en tout cas à l'endroit des autorités, c'est d'accompagner le cinéma. C'est de mettre un fonds, en tout cas, qui sera destiné à financer la production audiovisuelle au Niger. Parce que si vraiment un État décide de faire la promotion du cinéma, en tout cas en peu de temps, tout ira comme ce que l'on attendait. Vous voyez, malheureusement, avec euh, l'avènement des militaires, euh, on n'a pas un ministère de tutelle à qui, en tout cas, nous allons nous adresser donc quelque chose doit être fait assez nouveau. Salut, allons avec une petite pause avant d'attaquer notre rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place à présent notre rubrique hebdomadaire et nous allons parler de la parenté à plaisanterie pratiquée au Niger sur la base des liens forts entre les membres de la même communauté intercommunautaire et entre les membres d'une même famille. Âgée de 39 ans, mère de 5 enfants, Maimouna Zakari est native de Tondikirei, dans le département de Walam, région de Tilaberi. Chaque année, au mois de la parenté, Maimouna fait le tour des maisons de ses cousins, balai à la main, dans le cadre de la parenté à plaisanterie. On l'écoute au micro de Oumou Oumaru. il faut que habuyon wo mana kiga te basan da gamara toy yi wo habin wo kaga bai basan gamara lalle ai wo zarmu ganda borno iri dir lafar borai want e kirgir habe ngo teda irwo fulngai irno haabu habu dinna fulngai haabu irwo gol borai no gir habu mo halso ngai mo bare bare ngai no fulngai habu maurai mo ngono ga bare bare haabu ngono ga fulngai habu wo kay mo ngirga bai to so mai muna ai dini go gai ha birgi ni go ga habu so ni wo dum fo dum no mai da mai no ni ga habu o ai wo kallano lafar boro ai ga fulngai habu ai ga maurai habu ai bare bare haabu borai ni ga habu ga mo go dum fo dum ka lafar ya lafar boro borai igono kallayanno karkarniga ka karkaryanni iga ka kala ganda kallai gabda borai ikul karkara dinno iga ka ngaiga habu hando kai ai gai habu ai basai mo kan him gai habu gai mo iga ka gay habu wanda berai du wanda kay nai irkantu wanda kaina irga koi wanda bere habu ta asandi hinda biyanno zamir koi ne bor kul ga asandi hinda bu ngi di bor hasi din koi habi ngodo nin din ba aran aranga fodo nda cari to son ne ni wo wanda no din koi wanda bere habu ni man baygu du problem ni koi wanda bere fo habu binama tun wala ni man baygu di din dumo wala ni koi ne ni ga dum fo habu abinama tun surtout wana wanda wanda bere dai zamni wo wanda kaina no ni man baygu du problem ara sande kulni man du ara a ai man baygu du sande ara lalle wonde bai fo wanda barkogi habu igine ne sai ngai wanda kai amma su gangi salm harai da tiyar bayyara ni bora wanda bai na ranga bisa ko kan bora hingin no waran kano dal guno dal wayno bora ni no akul bere no char beren di yanno ya diga ni wo jir kunno ni ganti o jir kunno ay gati son what hando kai hunkun hando gwanda girbi hinza iga te kala hando koy gubu Boregati. bore gati me bore kai bai bore yanda hando te girbu wai ingani ngai mo ga sintin ga habu bore mo hando sintin ingani ga sintin habu kalam to hando buya da hando da dabbe hando bu nga dayno haabu yo ban Mai mun ifoti gomni yan kandu da ngani wo yi wa kanni no woni wala kuri kanni no fondo woni ifoti gomni kandu wara to dalle ay duwara gomni zam hun kuna ay nyangay day babay inay sai cabay se wore kul kay ndey hin ga fodo de chare de wore kay yang indey asandi hin beer gin de gamara kulin bor fa hamande ndey zabor go zanka nga ci gomno kan ay wo duwara to so may muna ay ga ba danga ni mate ce yang koy irni jalla bi zai ga na mai biren de wofon dara boy kul mahim gin ba sa bai za zan ka tarara borgo fahman borase filan wone wona basanu wone wa asan hin naran dai gamara ba fori musaran dan charra ha dara hin forun da cedda ba cer binatu naran mi hin cer sur zama asan hin nokir koy dabaran gamara haira kul mun gizo ce banda za a zan ka tarara da bora beri a gabai kan ga gwanin ga ba sai kinga dai forun da cer ba bora forun da bora bera bon igine lalle boro wo ha ai basano zaman ya ce sai kan walai ba ce sai kan filan yan wo dim filan yan wo baasiyaŋ no bi forun a ma si iri ga aga kan diga mara charberen beerandiyaŋ bii te wane hala i wani a asandi hin guna kulisi hin gi yengi Rabia notre tour à musique avec le titre Fulbe de l'artiste Eldam Siro. Buruman ko dan garen jautan Belak dan garen jautan Rodi Fulbe que vous êtes en train d'écouter de Adamou Soumana alias Damsiro. Il est né en 99 à Tamou dans le département de il a fait 4 ans qu'il a commencé à chanter. Il a 12 titres à son actif, soit deux albums. Il chante en Hausa, en Zarma et tout récemment il a commencé à chanter aussi en Fulfulde pour ne pas oublier ses origines. C'était Ronnie Fulbe de l'artiste Eldem Chers auditeurs, maintenant direction pour l'écho des régions arabes, Nous restons dans la capitale Niamey. En effet, utiliser les déchets organiques issus des ménages de la ville pour restaurer les terres dégradées, c'est le projet qui est mis c'est le projet qui est mis en œuvre dans le 5e arrondissement communal de la capitale nigérienne. Je vous propose de suivre le reportage réalisé par Farid Bouraima pour en savoir plus. Dans le 5e arrondissement de Niamey est exécuté le projet de valorisation des déchets organiques issus des ménages afin de restaurer les terres dégradées. Ici, 10 hectares de terres sont en cours de récupération. Nous, sommes dans la commune 5. Il s'agit effectivement d'utiliser les déchets, notamment domestiques, pour euh, régénérer pour euh, les terres dégradées. Dieu sait comment est-ce que nous sommes submergés par les déchets dans, la ville de Niamey. Moi, je pense que c'est une solution d'abord, tout d'abord, de nous débarrasser des déchets, notamment domestiques, euh, aussi d'amener un apport à nos sols dégradés quand on sait qu'au Niger, chaque année que Dieu fait, c'est plus de 100 hectares, 5 000 hectares de terre qui se dégradent. Si ça se fait à grande échelle, peut effectivement venir à bout euh, ou peut être considéré comme une solution de récupération des terres dégradées, mais aussi une solution euh, de protection de l'environnement, de salubrité, mais aussi une solution euh, en matière de création d'emplois. Ce projet est mis en œuvre par le professeur Oyama de l'Université de Kyoto.

Ali Unamata travaille avec le professeur Oyama depuis plus de 20 ans sur ce projet de restauration des sols avec les déchets organiques. Il raconte l'impact de ce projet dans sa localité. saboda kwaso taki daga birni ya kawo cikin dabaga kuma ya yi giryaji ciki itace daban-daban magariya wata kuka wani itace dai daban-daban na cikin daga dogon dutse shadar dogon dutse. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Maintenant, place au sport avec notre chroniqueur sportif Adam. Salut Adam, bonjour. Débutons cette page sport avec la région d'Agadez où nous profitons pour rappeler qu'elle compte au total 14 équipes de football reconnues par la Fédération nigérienne de football, dont deux sont en Super League nationale. Oui, Rabi, cependant, cette région connaît un sérieux problème d'infrastructure sportive. L'unique stade dont dispose cette région n'est plus en mesure d'accueillir deux matchs. Écoutons Aliou Hama, directeur du stade régional Sidi Mohamed d'Agadez. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes sur euh, le stade régional d'Agadez. C'est un terrain, en réalité, qui a été rénové euh, depuis 2016. Et ce terrain-là, en tout cas, est dégradé aujourd'hui suite à la charge, à l'exploitation. Parce que Agadez, il n'y a pas de terrain public. C'est le seul terrain qui existe, ce qui fait qu'à tout moment, il est utilisé. Matin, midi, soir et même pendant les mois de carême. Ce qui fait que le terrain ne peut pas accueillir des matchs, en tout cas officiels, ni de ce nom. C'est pourquoi nous appelons aux partenaires et à l'État de nous aider pour que notre euh, terrain soit un terrain respectable et surtout de nous aider à avoir des terrains hors du stade, des terrains annexes qui peuvent nous permettre d'avoir une fluidité au niveau de la pratique. Adam, le dimanche 13 août 2023 a eu lieu le lancement de la troisième édition du tournoi des grandes vacances de Kwarakano. Oui, c'est la Matou. Le match d'ouverture a opposé l'Académie FC de Kwarakano, champion en titre, contre le FC Flamingo de Kwarakano. Victoire des académiciens sur le score de 3 buts à 0. Demain, Flamingo de Quaracano jouera son deuxième match contre l'équipe de Kubia. Le vainqueur sera qualifié en quart de finale. Adam, de l'autre côté du TGV de Yantala, c'est aujourd'hui que débutent les quarts de finale. Oui, la première rencontre de ces quarts de finale opposera l'équipe de Dollar FC contre l'AS Recasement. Un match très attendu par le public. Demain, un autre derby entre ASEC FC et Ardan Football Club. C'est la fin de cette chronique. À bientôt pour d'autres numéros. Merci Adam. Place à présent maintenant au portrait du jour. Oui, salut, notre star du jour s'appelle Adam Okanfo Ibrahim, jeune entrepreneur nigérien qui s'est lancé dans la fabrication des sachets d'eau, au communement appelé Piawata à Niamey. Grâce à cette activité, il arrive à subvenir à ses besoins ou aux besoins en eau de la population du quartier Bobiel. Son portrait avec Farid Bourema. C'est dans le quartier Bobiel de Niamey que Adam Kamfo Ibrahim a installé son unité de production d'eau en sachet, communément appelée Puawata. Dans cette usine, le bruit des machines est perceptible et le personnel s'attelle au conditionnement des sachets d'eau en pack de vin. Pour Adamou, il est le leader de la commercialisation du Puawata à Bobiel. J'ai d'abord euh, pensé à apporter ma solution pour résoudre un petit problème auquel fait face euh, la population de mon quartier. Ici à Bobiel, euh, nous faisons face à un sérieux problème d'approvisionnement d'eau. Et je me suis dit que peut-être avec cette commercialisation de mon eau, je vais apporter un soutien à la population J'utilise l'eau de forage. C'est un forage euh, d'une profondeur de 67 mètres d'où je fuse euh, l'eau. Une eau qui a une euh, bonne minéralisation. Ils adorent d'ailleurs mon eau. À Beauville, je suis, je peux dire, le leader de l'eau Puroata. <laughs> Dans son entreprise, Adamo indique qu'un de ses agents le forme sur l'utilisation des machines. Pour mon apprentissage, j'ai mon agent que je suis régulièrement qui m'a appris aussi à manier la machine, à régler quelques pannes euh, pas du tout compliquées et aussi à faire l'emballage de l'eau. Pour ainsi répondre à la demande et être concurrentiel, Adamou Ibrahim vend ses packs d'eau à un prix abordable. Le pur minimum, ça se vend à 150 francs, 200 francs le pack de vin. Partout où vous allez, moi je le fais à 100 francs uniquement. C'est pour que tout le monde puisse en bénéficier. L'entrepreneuriat est une forme d'indépendance financière selon le jeune entrepreneur. du début de, euh, de ma commercialisation d'eau, actuellement je compte quatre agents à ma disposition. L'entrepreneuriat, c'est une façon d'être indépendant. Tu as une indépendance financière et de nos jours, franchement, quelqu'un qui est indépendant financièrement, il aspire à se développer déjà soi-même à apporter son aide non seulement à l'économie de, son pays, à employer des gens, c'est-à-dire il crée aussi de l'emploi autour de lui. Rabia, notre tour, notre tour à musique. Maintenant, on va écouter Balmo Yaro qui nous chante Yanka Yanka au plaisir de nos auditeurs. Daniel, halwai na fanta kan basada kan basada mu muska ya ga mu kan nasi a gawa halwai na fanta kan basada mu basada mu muska ya ga mu kan nasi a gawa doniyo البرسيم سلم عملت مياج انا بتري لو ما لا تمين تتيها ميا سلم لي كم بتيجي تبالر نسي بابا على جدار سلام يا يا يا يا يا وديرني تاكسي ماني وديرني جمبو وديرني تاكسي ماني وديرني جمبو وديرني بوليسي ودمبوني جمبو ودمبوني هاي كل ده بوليسي دمبوني بوليسي ودمبوني هاي كيبو ودمبوني اف بي اي ودمبوني سولاجانا ودمبوني سمايلا دوبا ودمبوني ودمبوني بيير ليغا ودمبوني ليغا لا ودمبوني علاجي كارغو ودمبوني avec le titre Yanka Yanka de l'artiste Balmoyaro qu'on accueille le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. Et le loti d'aujourd'hui aborde la question délicate de l'infertilité. Plutôt, certaines femmes, après plusieurs années deux mariages sans enfants sont stigmatisés par la société et par leur belle famille. Et selon les spécialistes en charge de cette question, il existe deux types d'infertilité, l'infertilité primaire et celle secondaire. Plus de précisions dans le loti d'aujourd'hui avec Rafika Ater et Mariam Diallo. affaire qui déborde et en plus tu as le visage entre les mains. Tu m'inquiètes vraiment. Hmm, je n'en peux plus. La vie sur cette terre n'a pas de sens. Jim, ne parle pas ainsi. La vie humaine est sacrée. Quel qu'en soit le problème, il y a toujours une solution. Parle, ensemble nous allons trouver la solution. Ça fait six ans que je suis mariée. Et jusque-là, je n'ai pas d'enfant. Même pas une seule grossesse. Dis-moi à présent, madame, je sais tout. Que dois-je faire Comment vivre avec ce fardeau Hé, hé, hé, hé, calme-toi. es tu allé voir un gynécologue pour essayer de comprendre ce qui ne va pas chez toi Tiens Gynécologue Là où je suis allée, là. Ça dépasse les gynécologues. Ouvre bien tes oreilles. J'ai fait le tour de la médecine traditionnelle. Pris toutes sortes d'infusions et de purges. Rien du tout. À cause de ça, ma belle famille me déteste. Je ne peux même plus aller au baptême. Je deviens le sujet de conversation de tout le quartier. Même mon mari n'est plus le même. Hmm, voilà le problème. Sans examen, tu peux pas savoir ce qui ne va pas. Je t'explique un peu. Il y a entre autres l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, c'est lorsque la patiente n'a jamais été enceinte. L'autre cas, l'infertilité secondaire, lorsqu'il existe des antécédents de grossesse menés à terme ou fausse couche. Mais attends, l'infertilité primaire. C'est mon cas Justement, tout d'abord, prends un rendez-vous avec un gynécologue. Un gynécologue Non, ça coûte cher. Non, non, non, non, non, non. Tu peux aller dans les centres de santé publics comme les maternités ou les centres de santé et de reproduction. Ah, j'oubliais. Tu as quel âge d'abord <laughs> Moi, je suis encore jeune. Je n'ai que 35 ans. Qu'est-ce que tu crois <laughs> Oui, je n'ai que 35 ans. Tu ne sais pas que c'est à partir de 30 ans que les problèmes commencent Le principal facteur qui limite la fertilité reste l'âge maternel. Selon les experts, les femmes qui veulent faire un enfant doivent songer à la maternité avant 35 ans. Si elles ne veulent pas connaître des soucis d'enfantement, car laisse-moi te dire que la fertilité des femmes est à son maximum à 20 ans. À 30 ans, une femme ne dispose plus que de 12% de ses ovules et n'a plus que 3% à l'âge de 40 ans. Quoi Mais je suis foutue Non, calme-toi. Cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas tomber enceinte. Songe à ce fameux rendez-vous dont je t'ai parlé. Mais attention, surtout n'y va pas seule. Fais-toi accompagner par ton mari car il se pourrait que le problème vienne de lui. Ah, ça, tu as raison. Durant toutes ces années de calvaire, pas une seule fois, mon cher époux n'a été inquiété. Autre chose à savoir, la vie quotidienne impacte la fertilité. Certains facteurs perturbent la fertilité à la fois chez l'homme et la femme. Parmi eux, le surpoids ou le sous-poids, les conditions de travail, par exemple l'exposition prolongée à la chaleur, longue durée de transport, le stress, le manque de sommeil, le tabac, l'alcool, la consommation de drogue et de café chez la femme le sport intensif et surtout de nos jours l'exposition prolongée aux ondes mobiles comme le téléphone. Tout cela. quoi qu'il en soit, j'ai bien noté. Je te remercie infiniment. Fini la dépression. Courage ma belle. Merci les filles pour euh, le loti, chers auditeurs. Place à présent notre euh, rubrique culture linguistique. Dans ce studio, nous sommes aussi bien en compagnie d'Alamine Wachar, Il est journaliste traducteur en langue à Tamashek au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie l'expression pulvérisation des champs en français et en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour Abib. En cette période de campagne agricole, les agriculteurs pulvérisent leurs champs afin de protéger leur culture contre les ennemis de la culture. Et action de réduire une matière en particules très fines, un liquide en brune ou un solide en poudre. Une action pour détruire tout ce qui peut, tout ce qui entraver la bonne marche de la culture. يتاوقوا سي السباب نعكاز يعني يكرزان يمو صارت يتاوقوا فلتاني توقز دغرت كول ويقراني كنكرا مدى شيوكه وين شين فرقني انا دخشدنا تا تا كريستين مديتنا نو تنبلتين إيقا دغامان مدي إيقا دغاقيل مدي إيقا دغرتيا يسوه نظيف نظن أرتن كل هني مدرورنين تاتينين تا كريست Merci à la Wachar, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'ample explication en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Cap sur Agadez pour un dernier tour en musique avec le titre Soyeya de Guess L'amour, c'est un sentiment qui atteint l'ennemi par un autre. Qui cherche trouve, même celui qui t'aime. Tu abandonnes tes ennemis. Ambassadou, ah, quand le grand fond le soir, les petits ne font que raconter. La Gazwana à la place. La Gazwana. ke wai masoyiya ki sanna kana mai ga kana gani latani yariya ta muce abraman namu ne baba awa da adam da ni da kai marki su kana gani aitun waya C'était Soeya Moumana du groupe Guessband, un son que nous dédions à toute la population de la terre à toute la population d'Agadez qui nous suivent en ce moment sur cette émission. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et moi-même Rabia Meikano. La technique était assurée par Seni Isaka et Adam Adouaki, et notre chef d'édition. Ne ratez pas l'actu des jeunes et tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 17h sur nos radios partenaires et notre site www.istudiokalangou.org. Bon début de week-end à tous.